Mmh. Tu n'auras plus des casseurs, mais tu as des révoltés. Ouais, bon. Alors, non, non, non euh, euh cette révolte-là, je pense que cher Abdullah Ndiaye, ça se sent partout au Sénégal et à tous les niveaux. à fait yi nga décrire plus haut euh, moi li ko jur. léegi nag bu ñu tout ce ci Sonko ñu avancé ndax temps bi mi on a commencé en retard et mhm. fast track lañu def. tout à fait ñu ñëw ci euh, Amadou Ba Amadou Ba je pense qu'il y a à manger et à boire. tout à fait. ndax euh, euh lutax mu à manger et à boire moy Amadou Ba ça n'a pas été une surprise qu'il soit le candidat de Benno Bokk mhm. euh, bien que ça a été un processus très long et donc très douloureux. Mhm. mais au finish mom lañu tek euh sank ci euh, sa biir wax wax nga lu garaaw loo xane ne bëgg naa nga détaillé ko toj ko mhm. ndax wax nga ne euh, Amadou Ba semble avoir voulu quelque peu quelque part euh, s'affranchir -hmm. de l'establishment mhm. euh, apériste mhm. euh, en créant sa propre structure parallèle. Mm -hmm. donc, euh, Lolo, est-ce que Nekul euh, li indi coow actuellement actuellement euh, ci ci lolu bala avancer bëgg naa ñu ñu ñu euh ñaari euh, mbir moy d'abord ñu déglu Souleymane Jules Diop. tout à fait. euh ngi wax sank ba euh pap ngeen ñu Souleymane Jules Diop. qui a fait face hier au grand jury de Babacar Fall sur la RFM. Euh, mu wax euh, lu graaw loo xam ne euh, ñun ñii nga xam ne fekkee nañu Sénégal Ablaye Wade bu Macky Sall ak yooyu kenn mësul dégg benn candidat majorité présidentielle mmh. nga war a nekk seen champion mu am malêtre bi frustration bi mmh. donc Pape bu dee élément nga tegal ñu ko ak bi ñu déglu ko Sénégalais ont besoin d'un homme modéré, d'un homme tempéré, d'un homme capable de les rassembler. Mais, et il y a un mais, il faut qu'il parle aux gens, il faut qu'il rassemble le pays. Un candidat trop timide être Il faut qu'il communique euh, avec les gens. Il faut qu'il pas cette impression que c'est quand même un candidat timide, c'est quand même le candidat de la majorité actuelle. Je serai plus, je serai, j'irai même plus loin que vous. Je le trouve amorphe. Je trouve qu'il ne montre pas assez aux Sénégalais aux gens qui sont avec lui, à sa majorité, qu'il a les épaules, qu'il a l'étoffe. Il ne le fait pas assez. Il doit se bouger. Il doit aller vers les gens, il doit parler aux gens, il doit rassurer la majorité. il l'a complètement affranchi aussi ce n'est pas... Mais écoutez, à un moment donné, euh, vous vous assumez. Moi, j'ai vu Macky s'assumer d'une manière extraordinaire. À plusieurs occasions, j'ai vu Macky même à l'époque, pour son honneur, défier le Premier ministre Idrissa Seck sur la question des carrières de Thiès. Je l'ai vu défier ceux qui ont voulu, à un moment donné, l'humilier. Je l'ai, j'ai vu, Ablaïwad lui a dit, vous sortez, il y a le caméraman qui vous attend pour que vous démissionniez. Il lui a dit, ce sont mes pères qui m'ont, euh, mes collègues députés qui m'ont élu. Ce n'est pas vous. C'est à moi de choisir quand je démissionne. Il s'est levé, il est parti. À un moment donné de la vie, mon cher Babacar, il faut s'assumer avec courage. Et je trouve qu'Amadouba, euh, euh, euh, je, m'impatiente de voir Amadouba s'affranchir, se lever et dire aux Sénégalais, c'est moi. Maintenant, il est dans une position difficile dans laquelle il doit assumer un héritage qui n'est pas forcément, qui n'est pas un mauvais héritage en réalité, et où il doit assumer une certaine rupture parce que les jeunes l'attendent. J'attends qu'il signe un pacte fort avec la jeunesse, qui s'engage envers la jeunesse sur la question de l'emploi, sur la question de l'immigration. Il doit donner un plan de réindustrialisation du Sénégal clair, avec un cap clair, avec ce que nous allons avoir, le pétrole, le gaz qui vont nous donner de l'énergie à bas coût. L'industrialisation d'un pays, c'est de l'énergie à bas coût et c'est de la main-d'œuvre disponible. Et sur ça, il est attendu. Et à mon avis, il ne le fait pas encore. Et il suscite et c'est à moi de le dire pour qu'ils le comprennent, il commence à susciter de l'inquiétude dans nos rangs. Il commence à susciter de l'inquiétude dans nos rangs. Et c'est profond ce que je vous dis là. Moi, je suis 100% Amadou. 100%. Et depuis longtemps. C'est un homme pétri de qualités humaines. Il est extraordinaire, Amadou. Mais il ne fait pas assez. Et, si ça continue comme ça, l'opposition bien organisée peut nous battre à la prochaine présidentielle, je le dis. Et je le dis en toute honnêteté. Les gens ne vont pas le dire. Ils vont le murmurer dans les couloirs. Il faut qu'il nous rassure. Il est notre candidat. Nous l'avons choisi. Il a les qualités pour être un bon président de la République, mais il faut qu'il rassure son camp. Il ne le fait pas assez. voilà donc euh, euh, cher Abdou. Mhm. Euh, ñi ngi doon déglu léegi nii Souleymane Jules Diop. nga xam ne lu lu doy lu ba débat bi yow cette sortie de Souleymane Jules venant surtout de lui qui n'est pas n'importe qui euh, ak euh, context bi li mu wax ni mu ko waxee ak moom mi wax euh, loo ñu ci mën a wax tey. dafa am ñoo xamante ne yàgg bu ñu waxee dafa am xoolee li mu wax parce que suivre naa man lépp ah lii c'est vrai que extra la mais boo suivre lépp. Mhm. Euh, dafa am rek benn lu ñuy chercher. Mhm. à la fin mooy mu yaa un message bu mu bëgg jàllale. Mhm, te jàllale na ko. te jàllale na ko. je pense que jàll na parce que sinon tey duñ toog di ci. ah te te te boromam dégg na ko. waaw te boromam dégg na ko. maintenant euh, lecture bi ngay am ci loolu mooy euh, mi ngi jéem a. taalal sa micro bi. Euh, ok kon je pense que wala mi ngi doon jàll. voilà je continue donc li nga ciy mën a jàngat mooy dafa am ñu muy waxal. ñan la doon waxal ñan. waaw mi ngi wax ak l'élite. Mm-hmm. mi ngi wax ak euh, ñi nga xamante ne ñooy rendre compte. les marabouts te mi ngi prévenir. waaw mi ngi mi ngi rendre compte. Ah. xam nga ce qu'on appelle comme comme comme dafa am lu muy avertir. Mm-hmm. maanaam hier ce qu'il a fait c'est de la météo. Mm-hmm. ok waaw dafa joxe ay prévisions météorologiques. wane ne war nañ ko mën a xaar. sinon Mm-hmm. voilà donc li nga ciy déggee rek tey boo ko doon laaj ki nga xamante ne moom euh, dafa far ci beneen wàll wi gis-gisam direct mooy. Mm-hmm. Macky Sall ko yebal. waaw loolu nag moom. moo ko wax loolu. est-ce que neex naa weddi. waaw du neex a weddi parce que. du neex a weddi parce que. Mm-hmm. xam nga euh, président Macky aussi euh, tàggatoom bi ni ma ko mën a waxee. dafa bëri ay c'est comme. wax waxa jam daal. waaw dafa mel ne wantaay. Mhm. maanaam dem ci ñaari côté mooy génne ngelaw li. Mhm. man day ça sort de l'air <laughs> mais il faut di nga ci dem gauche à droite ah. voilà pour nga comprendre <laughs> c'est-à-dire tantôt tu as l'impression il est prêt à y aller. Mhm. tantôt tu sens que ne mi ngi teg ay pexe. ngir ñu def report élection yi. maintenant qu'est-ce qu'il va y gagner. Euh, je pense qu'il ne gagnera absolument rien du tout parce que euh, euh, bu tay buñ ko reporté won kan moy nek président moy don laaj bi. parce que mom amatul mandat. et le palais on se réveille pas dem tok fa. ce n'est pas possible. loolu daf ñu ci benen situation. donc l'ol day duggal Sénégal ci benen situation. Mhm. maintenant xeyna mom moom préparé na parce mhm. que ah, ñun suñu suñu réew ni mu doxé ni mu tëddee. Mhm. njiitu réew mi moo ëpp doole sax constitution bi. parce que constitution bi ay yattkat la. mën na saa su ko soobee mu am fu jaar. yattkat yi yattaat. yi mm-hmm. yëf yi doxaat. Mm-hmm. te rapport bi. Euh,